matasa barkan ku da haka barkan musa kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu hada fada kenan wanda yau ni Fanta Shamsu zani gabata. Ce soir dans votre émission Tous à la fada nous allons parler de l'incivisme dans les places publiques à Niamey et essayer de comprendre d'abord l'importance de ces places publiques pour la communauté. Wato shirin namu sai karkata ne akan muhimmancin samun wajajen shakatawa ingantattu inda matasa kan iya shan iska da kuma yadda wajajen shakatawa suke cikin wani hali a nan babban birnin Yamai. Car ces places ne sont Pas simplement des espaces, mais le reflet de notre vivre ensemble, où les familles se rassemblent et où la culture s'épanouit. C'est aussi dans ces endroits que naissent les opportunités, les rencontres et les souvenirs qui forment le tissu de notre société. Malheureusement, ces places sont parfois assombries par des comportements qui entravent leur véritable vocation, des actes inciviques qui détournent ces espaces de leur essence. al'umma na halartar su saboda halaye da matasa da'a da aka lura ana yi a wajen shi yasa yau muka tara matasa musamman masu gwagwarmaya a fannin kishin ƙasa civism da sauransu domin tattaunawa tare da su akan l'importance d'avoir des places publiques pour une communauté quels sont les comportements inciviques que l'on observe dans les places euh, publiques ici à Niamey comment ces comportements nuisent à la communauté sai kun biyo muke na cikin wannan shirin namu na mu hada fada na yau inda za mu kwashe mintuna 35 muna tattaunawa abdulkadir cambiano akan inji idan ka shirya Masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan filin guntiye na muna tare da matasa masu gwagwarmaya fannin kishin kasa wato civism kenan wanda suka amshi kiran namu inda za mu tattauna tare akan wannan maudu'in namu muna tare da Aisha Saini kuba Aisha sannu da su a cikin fadar tamu yau sannu na na lafiya lahiya lawan ki shirya kenan mu firar na dan shirya <laughs> muna <laughs> kuma tare da Awal Muhammadu ile Etudian ah <laughs> Awal shi ta Awal san da su a cikin eh, fadar c'est nous, c'est nous. C'est de Simon Munkaila. Lui aussi, il est étudiant. Simon, bienvenue dans notre FADA. D'accord, merci beaucoup. Ba tare da ɓata lokaci ba fara da tambaya ta ta farko. A babban birnin quels sont les comportements inciviques les plus courants que vous observez dans les places publiques? Awal da kai zan fara. Quels sont les comportements inciviques wanda ka gani ana yawan yi dans les places publiques a nan babban birnin Et eh, voilà, merci. Je crois que je vais aller droit au but mm. pour euh, dire les quelques comportements que moi j'ai pu rencontrer dans la vie courante ou dans les moments que j'ai pu assister ces, ces places. Et je crois que Ces places, dans l'objectif est autre que ce qui se passe aujourd'hui, constitue un lieu, n'est-ce pas, de panique pour euh, la majorité de la population qui désire y assister. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que c'est ces places qui sont destinées à autre chose que je vais revenir pour en dire l'objectif de ces places sont devenues des lieux, n'est-ce pas, de débauche de tout genre et des lieux de délinquance de tout genre. D'où. Comment on débauche, on délinquance, on voilà, merci bien. C'est là que je, je vais arriver. Je crois que quand on essaie d'observer, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui, vous allez constater avec moi des jeunes filles qui se permettent d'aller là-bas pour euh, des drogues de tout genre, euh, par exemple les chichas, les tabacs et consorts. Et la vente aussi n'est pas cachée. C'est quelque chose que moi, si je ne prends pas, je peux avoir peur d'aller là-bas sous peine de ne pas être pris par la police qui va rafler les gens euh, très sûrement. Et vous allez constater également avec moi que c'est devenu des endroits où des jeunes filles et des jeunes garçons se rassemblent pour des règlements de comptes et pour euh, des commerces. Euh, je vais parler sans tabou sexuel. Hein. C'est des commerces sexuels, vous allez constater, parce que moi j'ai été à deux places, mais j'ai pas pu rester compte tenu de ce que j'ai remarqué dans l'endroit. Vous allez voir des petites filles qui, qui se donnent le plaisir d'aller se vendre le corps pour, euh, je ne sais pas, quelques miettes, et des petits garçons qui vont se donner le plaisir d'aller vendre de la drogue parce que quelque part, on, on voit qu'il y a un manque d'une politique de gestion de ces endroits, d'où euh, la déformation des objectifs auxquels... a une politique de gestion Avant ça, Aisha barin juyo wajen gens Aisha ke un euh, comportement civique ne kika lura ana a wajajen nan? Na gane su mais la plupart du temps, in ka je nan, tu as peur d'être, euh, comment on appelle ça, moi en en tant que fille, tu as peur d'être euh, pointée du doigt et vue autrement par la société ou par les gens qui, sont dans ton entourage. Oui. Voilà. du coup, quand tu les fréquentes. À quoi Parce que, da, ada. ina tahiya wajen nan 3 ans avant 4 ans avant par exemple place publique inda ke wajen make mishi Niger Telecom ina zuwa wajen nan voilà, je partais là-bas. je, je profitais des fois avec les petites sœurs. Mais maintenant, c'est plus possible. C'est pas des endroits qu'une fille peut fréquenter sans pour autant être prise pour une prostituée ou bien quelque chose du genre. Et moi, je pense que d'abord, les places publiques eh, qui ont été créées, c'est pour une raison. C'est pour rassembler les gens, les faire venir peuvent venir s'asseoir et non pas pour ça, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que euh, on préfère, euh, comment on appelle ça, on préfère faire une place publique dans un endroit où il y a peu de personnes, peu de lumière et tout ça. Donc, on est forcé de faire des places publiques pour éviter que les gens se font agresser par hasard. Mais au contraire, c'est les places, c'est aux places publiques même qu'on agresse plus souvent les gens. Et j'ai des amis qui ont été victimes de ça. Ils partent à la place publique, ils reviennent, on les frappe, on, les agresse, on prend, on les, on les vole. Donc, du coup, c'est devenu un lieu très insécuritaire pour tout jeune en fait qui, qui se sent vraiment euh, en, en, en position de faiblesse. Voilà. Simon kai wani comportement incivique civique ne kai remarqué da zaka ya kara mana akan wa'anda Aisha da kuma Awul suka gaya mana. D'accord. C'est comme ils ont eu à le dire, moi personnellement, je ne fréquente pas tellement les places publiques et chaque fois que je le fais, c'est pour un but bien déterminé, c'est pour des réflexions très profonde d'ailleurs. Mais une fois là, on va constater très sincèrement des comportements qui ne sont pas des bonnes pratiques et des bonnes mœurs. Parce que non seulement l'endroit même en tant que tel, on constate qu'il est délaissé, puisque l'environnement n'est pas bien protégé. Et rien qu'en les fréquentant, on s'expose également à beaucoup de risques tels que ce que ma sœur vient de dire, le fait que quand une personne te voit là-bas, on peut dire que bon, comment est-ce qu'une telle personne peut fréquenter ces gens de liés Alors qu'en réalité, leur vocation, c'est des liés de réflexion, des liés de renforcement, de cohésion et même des règlements de beaucoup de problèmes familiaux, sociaux et même politiques. Mais aujourd'hui, quand on les fréquente, c'est des liés de débauche et surtout de, de toutes sortes des pratiques qui ne relèvent pas de la morale en tant que telle. Et c'est pourquoi même quand on les fréquente, surtout dans la nuit, on va constater de temps à autre, la police même est obligée de faire des descentes pour prendre les gens et les amener au commissariat et à la PJ. Donc de là, même quand ta famille va entendre qu'un tel a été pris à la place publique, on va dire mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas Donc nous ne prenons pas soin de ces places-là et nous les avons détournées de leur objectif et de leur vocation première. Mhm. Quels sont les avantages d'avoir des espaces publics sécurisés et accueillants pour les jeunes Et c'est des endroits qui peuvent permettre à des jeunes, n'est-ce pas, comme nous autres, de se retrouver devant des sujets communs, de se détendre comme on a coutume de le dire et de pouvoir peut-être renforcer leur cohésion sociale ou leur cohésion amicale. Et outre cela, je crois que c'est un endroit de loisirs et des loisirs pas tels que les jeunes le font aujourd'hui, des loisirs euh, de telle sorte que la personne peut aller se détendre un peu, peut-être oublier ses petits soucis mhm. afin de les refouler et revenir à la norme. Et je crois que c'est des endroits également qui peuvent euh, servir à des nouvelles connaissances parce que je peux venir aujourd'hui sans te connaître et on peut partager le même banc. Forcément, on va causer et on va échanger sur beaucoup de choses. De là, peut-être on va faire une connaissance qui peut-être va nous permettre de, tisser des relations la courantes et vous voyez donc c'est tout cela là que nous devrons voir. Et ça doit être euh, les choses qui sont euh, plus en avant que ce qui se passe aujourd'hui. Mhm. Euh, j'avais J'avais évoqué un point la dernière fois quand je disais que 3 ans, 4 ans avant, je menais ma, mes petites sœurs là-bas. Et je me dis que c'est des endroits où on peut amener tout le monde, qu'ils qu soient petit, qu'il soit grand, tout le monde peut partir là-bas. Mais sans pour autant craindre quelque chose ou bien que, que quelque chose de mal puisse se passer. C'est aussi un endroit où on a l'habitude, même l'année passée, on a l'habitude de faire des ruptures collectives. ça fait plaisir parce que Normalement, c'est des endroits qui sont censés être calmes, pas trop bruyants, zéro tracas où tu vas te sentir mal à l'aise. Donc, euh, je me dis que genre, normalement, c'est comme ça ces endroits devraient être. Et c'est comme ça que la société devrait voir ces endroits. Simon, toi, quelque part, tu ne penses pas que ces places peuvent aussi empêcher la délinquance en principe Oui, en principe, c'est même ça leur vocation, comme je le disais tantôt. Parce que si nous faisons un peu un retour en arrière, c'est bien ces places qui ont été des occasions de réflexion. Donc aujourd'hui, ça va permettre à ce que les gens prennent conscience à un éveil ou à une conscientisation de la jeunesse, ça va nous permettre de penser également la délinquance, la, la prostitution et même le tabagisme, l'alcoolisme, tout ça là si les gens arrivent à prendre soin de ces places et que ces places arrivent à être sécurisées, je pense que ça va nous permettre de diminuer les dangers, puisque du moment où les gens vont se rencontrer, ils vont poser les vrais débats, toutes les communautés vont se rencontrer et il y aura une sorte de mélange qui va faire en sorte qu'on ne saura même pas distinguer la cohésion sociale. Et, 'yan eh, eh, zarma. Merci beaucoup Simon. Yan matasa masu sauraron shirin mu haɗu a fada sanin ku ne a cikin wannan shirin muka bai wa 'yan matan studio Kalangu filin da suke kawo mana ƙarin haske akan ababe da dama musamman ma wanda suka shafi lamuran mata da 'yan mata a cikin filin nan nasu mai suna da La Rubrique Rose Onekut écoute revue. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue sur cet espace rose du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons voir des versions légèrement revisitées de certains de nos petits plats que l'on chérit tant. Commençons par le danwake. Ces délicieuses boules faites à base de pâte de niébé que l'on retrouve vers Zender, Maradi et finalement un peu partout au Niger. Première étape de notre recette, la farine de danwake. Pour sa préparation, mettez autant de haricots que de manioc séché que l'on retrouve sur le marché et faites moudre finement le tout. Ajoutez à ce mélange votre poudre de feuilles de baobab, miyakuka ou kofoi. Je vous préviens sur ce coup, n'en mettez pas des tonnes, ça peut altérer le goût de vos danwaki. Pour de belles et délicieuses boules de danwaki, utilisez un tamis fin pour éliminer un maximum de grumeaux et avoir une pâte bien lisse. Mélangez du natron et du sel dans un grand bol, puis ajoutez de l'eau. Versez délicatement cette eau salée sur votre farine, puis malaxez. Votre pâte ne doit être ni trop dure, ni trop molle. Posez une assez grande marmite au feu avec une bonne quantité d'eau à bouillir. Baissez le feu, puis à l'aide de vos doigts ou d'une petite cuillère, faites de petites boules dans l'eau bouillante. Les petites boules cuisent et se mangent plus facilement. Une fois vos boules cuites, retirez-les et plongez-les dans de l'eau claire. Vous pouvez les déguster avec une petite sauce pimentée, un peu de mayonnaise et du citron et le tour est joué. En vacances à Gouré, j'ai découvert que l'on pouvait manger des danwakés avec du moringa, mettre la pâte d'arachide et tous les autres assaisonnements. Vous pouvez même découper des œufs durs pour accompagner votre plat. Essayez, vous pouvez aimer. Bon appétit les amis Amis jeunes, bonsoir. Aujourd'hui avec moi dans l'espace Astuce Beauté, nous allons découvrir ensemble des masques faits maison pour la beauté et le bien-être de votre peau. On va d'abord commencer par le masque anti-acné à base d'arbre à thé. Pour les poids à problème qui connaissent le calvaire de l'acné au-delà de l'adolescence, l'arbre à thé est l'ingrédient incontournable en matière de soins naturels anti-acné grâce à ses propriétés purifiantes mais aussi assainissantes. Donc vous aurez besoin juste de yaourt nature, de trois gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé appelle aussi titri pour les anglophones. Vous devez incorporer les trois gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans le yaourt et mélanger. Appliquez le masque sur une peau propre et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède et frottez. Et voilà, votre peau est beaucoup plus nette. Pour le deuxième masque, c'est un masque hydratant à base de concombre. Pour les peaux sèches qui tiraillent, il vous faut un concombre yaourt, la recette épulchez le concombre et mixez-le avec le yaourt. Appliquez la préparation sur votre visage et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède votre peau est repulpée. Merci bien Rocky et merci aux filles de nous avoir suivis. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Ndeo anan filin guntu yana muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in l'incivisme dans les places publiques à Niamey, essayer de comprendre l'importance des places publiques pour une communauté. Zam gaba kenan da da kai fara, comment pouvons-nous encourager la participation des jeunes dans la préservation et l'amélioration de ces espaces? Kamar yaya za a yi matasa su wajen kiyaye wannan fila yayayen da kuma wajen sa kwanciyar hankali da anashuwa a cikinsu. Eh, don kamar shi ne nake ce miki kamar akwai matsala wato dangance da yanayin wurin yanda yake. que wurare ne wanda ya kamata a ce kashi saboda wasu abubuwa na daban me saboda rashin me ake cewa sikiritan wurin da yanayin wurin ma kan kanshi da kanshi baya maka permitter in ka je ka zauna ka samu walwala e in kin ka duba wurare ne wanda mafi akasari babu wuta kin gani akwai duhu kuma wurare ne wanda mafi akasari zaka tardo kaman abubuwa dai da dama wanda kai in kana jin wani abu ko kana kana jin yaunin wani ya ganka ba ka iya ka zauna cikin gurin ba to shine kenan ya kamata a ce yau in ana son matasa su zo ya kamata a ce shugabanni sun ɗauki me ake cewa leur responsabilité à main voilà des mesures pour ne serait-ce que sécuriser ces endroits et pour ne serait-ce que permettre à des jeunes qui vont aller là-bas se sentir en sécurité. To su matasan kan kansu. Ai su ma ya kamata su sa hannunsu wajen tafiyar da ake cewa lamuran wajajen kamar su a nasu bangaren masu tafiya ta mine ne ya kamata su yi domin kiyaye duka irin wannan matsalolin da muka tabo eh kisan in aka ce plus public kowa iya zuwa ni in na san abin da ya kamata in yi ba lalle bo ne wani ya sani abin da ya kamata yi eh comme le nom le dit place publique jar ba ne na kowa ne na kowa da kowa ni ba ni da hurumin da zan shiga rayuwar wani parce que c'est des vies privées de chacun in naga kana wani abu ba ni iya yi me akwai wani system wanda kin san ana iya sa dan adam ya yi abu ba tare da ya sani ba kin gane ko kamar for example yanzu in na zo na ga wurin ga ya ce kada ledodi ko wani abu ko ana wani abin da bai kamata ba mhm. ina iya ni in fara ba in ce ba a yi ba sai sa etir leader shukura sai in zo in fara tsewa ina sharewa ko kowa bi yi ba za a iya a samu wani wanda gobe in ya ga wurin ya yi dauda zai share ko in ya ga wurin akwai abubuwan da ba su kamata ba kamar yan mata suna wannan suna zauwa suna wani abin da ake ce karuwanci yana iya kiran su kanwa ta kin ga ke karama ce bai kamata ba da kin zo kin je kin yi karatu ko kin je kin koyi dumkin hannu kin gani yan si da sita kaman akwai manar ta reproach ana iya ayi wannan eh, kalmomin ba sai ka zo ka yi eh, me me ake cewa ka ta mutum ba saboda wa'ansu da fa reproach in ce ba su iya ba mm-hmm. sai kaga kana ga mutum yana laihi yanda zaka mishi magana maimakon ka yi consentizan shi sai ka ta shi kuma in ka ta shi kaman kana kangara shi ne ba ya mm-hmm. dawo ba ya yi abin da zala aisha bari in komo gare ki ke misaki ya kara muna kan abin da awali ya ce kamar wani irin halaye ne matasa ya kamata su yi wani irin ɗabi'u ne kamata su yi adapte domin su kansu su samu a magance matsalolin nan da muka fara tabawa wanda awali ya ce wannan da gaskiya ne ya kamata a ce mu da kanmu matasa mu tashi da kanmu mu san muke so mu san ya kamata mu yi cikin mutane ko menene ya kamata bai kamata ba kuma ka a yi shi ba ya kamata kuma a ce hukuma ta ɗauki doka bisa kan wajajen nan akwai abubuwan da bai kamata ba kenan ka ama yin su lieu public carrément faut même éviter cela peut faire des choses en cachette mais évite de faire ça publiquement parce que c'est des choses qui ne sont pas vraiment des choses respectables pour des personnes respectables. Toi, Simon, toi, à ton avis, comment euh, est-ce qu'on peut encourager les jeunes à participer dans la préservation et l'amélioration de ces espaces Moi, je pense que tout est question de sensibilisation. Il faudrait que l'État même se responsabilise vis-à-vis -vis de ces places-là. Il ne faudrait pas que l'État même crée ces places juste pour qu'on dise que voilà, l'État a créé des places publiques il faut aussi qu'elles servent à l'État un moyen où on va même analyser leur politique de gestion par rapport à la chose publique. Et il faut organiser des séances, des débats, des conférences et des sensibilisations dans toutes les langues pour que les gens puissent comprendre. que Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est un lieu public que tu peux te permettre de faire ce que bon te semble. L'appellation même renvoie même à la pagaille en quelque sorte. Quand on dit place publique, ceux qui comprennent un peu le français vont penser que bon, tout est permis. Alors qu'on doit dire à la personne que tout n'est pas permis, puisque ta liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. Et de là, on peut arriver à faire comprendre à tout le monde leur importance et on va, on est obligé même d'amener les gens à respecter ces places-là et à en prendre soin. Il faut également songer à, décentraliser, sinon à mettre des responsables rigoureux. Mhm. Et sinon même mettre des équipes qui vont sillonner les places, voir Assurer la sécurité. sécurité, voir mhm. comment est-ce que les gens vivent dedans. S'il y a des sachets et consorts, il faut obliger à tous ceux qui se trouvent sur la place à ce qu'ils fassent une séance de salubrité sur place et mhm. qu'ils rendent l'endroit plus ou moins salubre. Et s'il y a des comportements qui peuvent choquer non seulement l'attention du public, parce qu'il y a aussi des gens qui amènent leur famille, il y a des enfants. Mhm. Si aujourd'hui un enfant voit certains comportements, ça peut aussi les choquer moralement et ça peut les pousser à agir autrement. Merci Simon. duk wanda ya zo fada ya san da fada ana shakatawa ko ba haka ba to yau za mu shakata da faifan nan na sabu na fiaxi Yeah, haikul kirkwai tenobori, ba dir kwai ner no ba ni da hai kam ba ni ga you go feel when sawo baba does sawo you gonna go c'est niko un peu ou un bon sommet Comme la finit toujours dans un cercueil Moi, à chaque fois que je me réveille C'est la joie qui m'accueille Oui, elle m'accueille C'est la joie qui m'accueille Je me bats fort pour ce que je veux Mais je m'accroche à ce que j'ai pour être heureux Ma famille, mes amis Ma foi et ma dignité, c'est qui ta triste peut-être tu ne le verras même pas Alors, apprécie l'instant présent Oui Grand grâce au Tout-Puissant Que vos y a le problème Mais dès qu'on manque de tu on ne voit plus ce problème Alors You go feel well, Samuba. Voilà, chers auditeurs, c'était Faxi avec le titre Sabu. Et moi, matasa za mu ci gaba da gabatar muku da shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in mu na yau l'incivisme da les places publiques duniya bi. Za tare da bakin pour ceux qui viennent de nous joindre. Nous avons Aouel, il est étudiant en sociologie. Nous avons Simon. Simon, c'est un philosophe. Et nous avons Aïcha, qui est étudiante aussi et activiste. Za mu tambayoyin namu. Et euh, est-ce que les comportements civiques de kuka remarqué remarqué dans les places publiques là akwai wani risk hakan à kaman biskan santé kin matasa je crois qu'il y a beaucoup de risques et les jeunes s'exposent de plus en plus dans les différentes places publiques et qui sont kamar yadda na ci la position même de ces différentes places su ma kan kansu kamar wani abu ne na insecurity saboda sai des places où babu huta kuma control zero eh? babu huta ko da akwai sun ɓace ne ko kun ba anan ga kula da su babu kulawa ne babu huta actuellement yanda na gan su babu huta babu haske cikin duhu ne imagine des jeunes qui vont se rassembler eh? cikin duhu Euh, on peut se permettre également quand même na ce babu control ka shigo da kuto ko pistolet parce que on voit tout ce qui se passe aujourd'hui ya fa yan control de port de de zarm ko da yake ma yanzu naga an ce an hana shi me SQ akwai control akwai CV na wannan magana da aka yi ya kamata a ce plus public an hana shigowa da wasu abubuwa makama wanda za su iya cuta ma mutane in aka yi control aka sa haske kowa iya iya zowa ya zauna kowa yana iya zowa ya dan huta a zo a hira a tattauna bisa abubuwa na ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma kamar wannan abin zai iya kawo kowa da kowa ya ji iya shawon zauwa gurin Je veux faire l'accent sur l'hygiène. La plupart du temps, euh, les gens viennent dans les places publiques, ils ne amènent, amènent pas de quoi s'asseoir. Donc, ils sont forcés de s'asseoir par terre. Mhm. Et ils s'assoient tout le temps à côté des déchets. Surtout pendant les périodes où il y a les moustiques, les insectes là tout le temps. Au genre, il est impossible que tu t'assoies dans de tels endroits sans prendre une maladie. C'est impossible y compris la chicha. La chicha, là, elle est consommée partout, mais précisément dans les places publiques, c'est le seuil, c'est devenu le summum. C'est devenu un truc qui est naturel, genre à tout moment, la personne est en train de chicher. Tu vas, tu vas passer toute la soirée en train de chicher. Donc, quand, tu ne consommes même pas, tu es fumeur passif. Tu, es fumeur passif, tu prends ça tout le temps. Même si tu ne fumes pas, tu es forcé de prendre parce que tes amis, tes amis sont en train de prendre. Mhm. Tu vas venir t'asseoir parmi eux. Tu, vas, vas, inhaler. Eh oui, tu vas inhaler en même temps, même si tu ne veux pas. En tout cas, j'ai un peu voyagé. J'ai fait à peu près peut-être 5 à 4 pays que j'ai visité Et la plupart des pays euh, ont fait de leur place publique des monuments. Oui, en Afrique. Mhm. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Mhm. Leur place publique est devenue un monument parce que eh, ils respectent l'endroit là comme pas possible et leurs lieux publics sont toujours propres. Ils font attention à tout cela. C'est la même chose au, au à Lomé, c'est la même chose au, au Mali. Il y a, des endroits tellement que les jeunes doivent voir et explorer parce que ça même aussi, ça, ça, conscientise plus ça te donne envie. Pourquoi chez moi, ça ne peut pas être le cas mhm. Ça doit être le cas vraiment. C'est vrai, on a des merveilles, mais on n'entretient pas ça. Mhm. Et c'est tout le problème de notre pays ici. J'aimerais dire, comment comparaison par rapport à Nanga, de Lagos Nanga Eh, Najeriya. kenan. Kin ga wurare da dama in kika je a Najeriya wurare na zaman shakatawa na al'umma sai ki ga matasa suna exploitan wurin suna hutawa kuma suna kasuwancinsa abinsu suna samun kudadensu baki ganin irin wanga meme eh, ake cewa 'yan mata masu zakuwa suna meme ake cewa wani shaye-shaye ko wani karuwanci ko wani abu a'a kowa kokari yake ya amfana da wuraren kuma wurare ne wanda zaki gani tsaf-tsaf kowane lokaci kowane lokaci suna tsaftace kuma kowa iya zauwa daga mai hutawa daga mai zauwa ya dan kawo abin da zai dan saidawa ya dan samu abin da ya amfana da shi saboda wurare ne wanda suke tara dimbin jama'a ina ga kenan inda mu ma za mu irin haka nan da kin ga ba a samu wannan matsalar ba ta a zo a tara wannan yana sai da kwaya wannan yana karuwanci wannan tana wannan wannan tana wannan wannan tana kuma wurare ne wanda in ka zo ma cikin wurin kana shawon ka dawo saboda wuri ne mai tsafta kuma ana kula da yanayin shiga wurin da sauransu wuri ne wanda kina ganin kowa yana iya zowa da iyalin shi ya zo ya zauna saboda gaskiya babu irin wannan risk da muke gani cikin wanga plus public in namu na Niger inda ni ba na ɗauko matata ba ko kanwata in zo in kawo ta a nan eh, plus public ta c'est pas responsable Lagos, j'ai visité par exemple beaucoup de places publiques, par exemple à Leki et un peu partout dans Marcas, Agege et consorts. Ni kan kaina ina shawon in de da far ma yanda kake ganin wurin sai a tsaftace. A tsaftace kuma lahiya lau kaga wannan da matar shi da ɗiyan shi ça te donne envie toi aussi de te marier. Kana son kai amma eh, sai a hankali. Simon, <laughs> est-ce que tu as un dernier mot? Oh, moi, tout ce que j'ai à dire <coughs> est que nous n'avons pas pu tellement découvrir des places publiques à l'extérieur, mais conformément à ce que nous avons eu à, lire à travers des grands théoriciens comme Habermas qui a eu à écrire beaucoup sur même les espaces publics, lui, il dit que ça, ça doit même servir de lier des contradictions et de lier des propositions aux gouvernants Qu'est-ce qu'ils doivent faire véritablement Parce que c'est là-bas qu'on va écouter non seulement les pleurs et même l'attente de la population. Parce que c'est là-bas que les gens se rencontrent. Donc forcément, c'est là-bas qu'on doit discuter de tous nos problèmes, que ce soit social, politique et même culturel, comme on le dit. Donc vraiment, nos États doivent se responsabiliser et redonner à ces places publiques leur vocation première et mettre fin à cette dérive et à cette pagaille que nous sommes en train de constater, qui finalement risque d'amener tout le monde à détester. Avant de clôturer, chers auditeurs, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons parler d'un événement essentiel pour le syndicat des scolaires nigériens, USN. Il s'agit de la tenue de son congrès statutaire qui fait la une sur la toile. Eh bien, ce rassemblement revêt une importance capitale pour les scolaires nigériens et il est crucial de comprendre pourquoi. Tout d'abord, le congrès statutaire est le lieu où les membres de l'USN se réunissent pour discuter, débattre et décider des orientations future du syndicat. C'est le moment où les voix de tous les membres sont entendus et où des décisions cruciales sont prises concernant les revendications, les objectifs et les actions du syndicat. C'est une manifestation de la démocratie au sein du mouvement scolaire. De plus, le Congrès statutaire permet de renouveler les instances dirigeantes du syndicat. Les élections qui s'y déroulent déterminent les leaders qui représenteront les intérêts des scolaires. Ces leaders jouent un rôle clé dans la négociation avec les autorités pour améliorer les conditions de l'éducation au Niger. Le congrès statutaire est également l'occasion d'examiner les succès et les défis du syndicat au fil des années. Cela permet d'apprendre de l'expérience passée et de s'adapter aux nouvelles réalités. Il s'agit d'une étape essentielle pour assurer la pertinence continue du syndicat et son efficacité dans la lutte pour les droits des scolaires nigériens. Enfin, ce congrès est un moyen de solidarité et de renforcement des liens au sein du syndicat. Il réunit des membres des différentes régions et établissements, favorisant ainsi les échanges d'idées et la création de réseaux. Cette unité renforcée, cette unité renforcée est précieuse pour la mobilisation collective. Cette unité renforcée est précieuse pour la mobilisation collective en faveur de l'éducation de qualité au Niger. En conclusion, le congrès statutaire de l'USN est bien plus qu'une simple réunion. C'est un événement fondamental qui façonne l'avenir du syndicat qui défend les droits des scolaires nigériens. Il incarne la démocratie, la représentation, la représentation et la solidarité, des valeurs essentielles pour toute société prospère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. Merci Seno haka ne wa matasa na muka kawo karshen shirin mu na mu haɗu a fada na wannan maraicin ranar Asabar. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de aisha Seni Yakuba, elle est étudiante et activiste. Awal Mahamadou, étudiant en sociologie. Simon Munkaila, étudiant en philosophie. Kamar yadda suka faɗa lalle yana da muhimmanci a ke wajaje filayen shakatawa inda al'umma za su taru inda mutum zai iya kawo iyalin shi ma ya shakata. Kuma sun yi kokari sun yi kokarin nuna wa'anne irin matsaloli ne da yadda kuma za a samu a magance su sai kuma gobe da Allah ka muna ran da zamu dawo muku da wannan shigon kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio Kalangu.